Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Dakar bonsoir. C'est parti pour le journal de la campagne Place au sommaire. Violence électorale à Dagana, 10 blessés, des dégâts matériels estimés à 2 millions de francs CFA. Omar Sarr, indexé par les pros Moustapha Sarr. Encore plus de violence à Hambourg, des partisans de Maître Abdoulaye Tal de Yewi Askanwi et Siranyaï de Beno Bokyakar se sont donnés en spectacle. La députée violentée, des blessés graves enregistrés. Toujours à Hambourg, le candidat départemental de Benobo Kiakar, Salou Samb, lance un message de paix et d'unité dans les rangs. À Kolda, on soutient au candidat de Yewi Askanui, Ousmane Sonko explique les enjeux nationaux de ces élections locales. À Kaulak, les éleveurs ont annoncé officiellement Mohamed Ndiayrma comme candidat à la mairie. À Grand Yoff, Barthélémy Gaz promet une fois élu 5 milliards de francs CFA chaque année pour appuyer le maire Majop Diop. Le développement, c'est pour tout de suite. Malgré les multiples appels à la non-violence dans l'espace politique, les désagréments dans la campagne électorale ne peuvent être évités. Après les parcelles assainies, Medina, c'est Dagana qui entre dans la danse avec des heurts notées entre les militants de Omar Sarr et de Mustafa Sarr, tous deux candidats à la mairie. Dix blessés enregistrés, des dégâts matériels estimés à plus de 2 millions de francs CFA. Abdoulaye Kebe, membre de la cogère de Dagana, a fait une sortie sur RFM pour charger Omar Sarr, tandis que Djogoma Djadji, mandataire communal de Naïler, informe de leur plainte déposée. La violence s'est encore invitée à Hambourg hier. C'est entre les partisans de la députée Sirandiaï de Beno Bokiakar et ceux de Maître Abdoulaye Tal, candidat de la coalition Yewi Askanui, qui ont fait montrer leurs biceps une bagarre rongée. Toujours à Hambourg, au lancement officiel de sa campagne, Salut Sam, le candidat départemental de Beno Bokiakar, a saisi l'occasion pour lancer un message de paix et d'unité dans les rangs en donnant en guise d'exemple la nature de ses relations avec les autres responsables de la localité. Euh, le message euh, est d'abord un message de paix. Un message de paix à l'endroit des, euh, candidats et de leur entourage. nous nous devons d'avoir une attitude responsable, de faire cette campagne dans le respect mutuel, dans la générosité et dans le don de soi. Euh, c'est seulement euh, ça qui est gage de, paix et de continuité euh, pour, notre, pour notre pays. Et nous sommes une famille et on ne laissera personne sur, la route. Il peut y avoir des incompréhensions. c'est normal, dans un groupe, il y a toujours des incompréhensions. Mais ça, il faut les fixer, les dépasser et continuer à aller ensemble parce que nous ne pouvons pas aller les uns sans les autres. C'est dans la soirée du lundi 10 janvier, devant la permanence du PASTEF, Kousman Sonko a dénoncé la politique de Macky Sall vis-à-vis du peuple. Pour un éveil de conscience, il invite les militants et sympathisants à voter Yewi Askanui avant de présenter son programme Bourok. À Kaolak, l'association des éleveurs a officiellement annoncé son candidat à la mairie. Il s'agit de Mohamed Ndiaye Rahma à la mairie et de Pape Dembabitei au conseil départemental.

ngeen di liggéey liggéey bu am solo ci biir réew mi waaye ànd lenn ci ay jafe-jafe yi ngeen xam ne wax ngeen ko ca nga xam ne dafay engage commune wala département loolu incha allah xam ngeen ne seen candidat yi danañ ci bàyyi xel bu baax. ay jafe yi ngeen xam ne wax ngeen ko ca nga xam ne dafay engage commune wala département. lolu à la mairie de Dakar après les Parcelles assignées, Barthélémy Diaz a fait hier le tour de certaines rues de Dakar en compagnie de Khalifa Sall le maire sortant de Mermoz Sacré-Cœur promet au candidat Pape Madiop Diop investi par la coalition Yewi Askan de l'appuyer une fois élu de 5 milliards de francs CFA chaque année Askanui Sénégal Dakar ba fii daanaka ci gàttal yeewi askan bi moo fi sax ci xol yi yeewi askan bi moo fi nekk parce que bu ñuy ci deux mille vingt quatre dañu te tey lay ci deux mille vingt deux moo ci mbokk yi ñu góorgóorlu waxtaan ak mbokk yi ak dëkkandoor yi ak njaboot yi ngeen wax leen élection yi ñaari fi Khalifa Sall fi Ousmane Sonko xam ne ci Serigne bu Pire mooy le maire Pape Madiop Diop te su Dakar bi nag bu mag bi tànnee fu Khalifa Sall tànnee fu Serigne Moustapha bu Pire tànnee fu Ousmane Sonko mooy seen doon mbay Fatou Seye Diagne wala bu jaay bu jaay leen saabu bu fóot ba kon su ngeen ma falee di ngeen xam ni fal ngeen daanaan bu am yéene ci fal ngeen daanaan bu am am am am am am am am am am C'était tout pour le journal de la campagne pour les élections locales 2022. Rendez-vous et donné à la prochaine. Bonne suite des programmes.